man maay troisième vice président chargé de la communication bu ASC Diamaguène Maison Blanche. waaw ñaan bi lu ko waral mooy donc ñun danoo fànnoo chaque année bu ñuy démarrer suñu nawetaan donc ñu organiser benn wàcce kaamil mais aussi donc par pure coïncidence donc mbir mi dajeeg Sénégal di dem coupe du monde ñu ne nañ profité ci occasion bi donc d'abord ñaanal ñi nga xam ni donc way dawlu yi ñaanal leen yàlla xarale àjjana. ñu ñaanal aussi Sénégal yalla def fi jamm équipe nationale bi nga xamni mi ngi russi donc ñu ñaanal ko na suñu dom bi nga xamni moy Khadim ndjay parce que ku ne xamna ni Khadim ndjay jamm gën la la jugé dem euh, dem équipe nationale. donc fay jaadu bu fekké dañuy sumb mbir melni donc population bi yépp mobiliser autour de l'imam pour au moins ñu mën ko ñaanal. yalla defal leen jamm defal may leen dam wa am nañu ci équipe bi donc yaakaar ñun chance bu nu am moy donc euh, bala ñuy jouer suñu premier match dans fekk pays africain yëpp jouer donc là dina permettre au moins ñu les entraîneurs ñu mën a def benn analyse pour voir les failles yi nga donc équipe africaine am nañ ko failles yooyu ñu mën ko régler quoi. waaw appel bu ñuy lancé staff moi. donc Khadim ku ne ni donc actuellement mi ngi ci forme bu extraordinaire di wax ni que ko joxaat chance am. te am nañu yaakaar ni buñ ko chance am donc dina def mondial bu extraordinaire wa jury de manière générale comme ni comme niko ko président waxee rek donc ñun ñëpp ay lan donc ñom aussi nañu dem ba jeex donc ñu xamni ñam ay lan ni représente dignement leur leur pays parce que yombul yombul donc sur euh, pratiquement 52 pays africains nga bokk 5 pays yo xamni au niveau mondial là c'est un challenge donc ñu lancer waat ben appel rek au jour ñu gëna mobiliser wu toute la population de Sénégal ñu ngi au ñu seen di leen jàppale pour au moins ñu mëna am dam euh, je m'appelle Ibrahim Adja. je suis ancien secrétaire de l'ASC Diamogun. Présentement aussi, je représente la zone euh, l'ASC au niveau de la zone 4 en tant que président de la commission CQRP. Effectivement, cette journée, on comme on, avait l'habitude, à chaque début de championnat, d'organiser une journée de prière dédiée quand même d'abord à nos morts, parce que quand même, ils ont besoin de prière. Ensuite, euh, dédiée ça au moins à, à l'équipe, parce que quand même, on est en Afrique. Euh, il y a des choses euh, sur lesquelles il, faut, il faut beaucoup compter, surtout la prière, il ne faut pas ignorer. C'est pour cette raison que nous avons l'habitude quand même, bah, pour le début de chaque championnat, euh, pour les Nametan, d'organiser cette journée de prière pour non morts, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'équipe. Ah oui, Khadim, Khadim, Khadim, Khadim, c'est un produit de Saint-Louis d'abord, ensuite c'est un produit de Diamogan, parce que je pense que le nom de Khadim Ndiaye rime quand même avec l'ASC Diamogan. C'est vrai qu'il a joué dans d'autres ASC, mais quand même, euh, on le connaît beaucoup plus à Djamgen qu'ailleurs. Maintenant, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous lui souhaitons, c'est quand même euh, de faire une bonne Coupe du Monde, pas seulement lui, mais aussi pour l'équipe du Sénégal. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement Khalim, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Quand même, nous prions pour que l'équipe nationale puisse faire au moins une bonne Coupe du Monde, parce que le collègue l'a dit tout à l'heure, on a eu au moins la chance d'être la dernière équipe africaine à jouer. Ça, ça permettra au moins au staff technique de regarder les failles des équipes qui, nous ont précédés. Et je pense que nous n'allons pas tomber sur les travers de, ces équipes-là. Donc nous espérons que euh, l'équipe nationale quand même va pouvoir faire quand même une bonne prestation et espérer qu'on aille beaucoup plus loin qu'en 2002. En fait, euh, je m'attends à ce qu'ils fassent une bonne prestation. Tout ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent faire au moins une bonne prestation. Ça, je pense que c'est l'essentiel. C'est tout ce que nous demandons. Et nous prions aussi pour que quand même euh, l'équipe aille de l'avant.